18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du studio Kalangou présenté par Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 20 juillet 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la fermeture des radios et télévisions privées de Niamey pour non-paiement d'impôts, le sommet interparlementaire du G5 Sahel tenu à Niamey, au plan, sanitaire, une épidémie du choléra qui sévit dans le département de Mararoufa, région de Maradi. En sport, nous parlons parlerons de la 11e édition du tournoi de lutte africaine de la CDAO Tolaka qui a pris fin dimanche dernier à Niamey. Nous parlerons aussi de la Coupe du monde de football qui a vu le sacre des Français, euh, les Bleus, champions du, monde pour la seconde fois. Pour développer euh, ces thèmes, euh, nous avons invité Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir. Issa Amadou, journaliste à la radio et télévision Ténéré Isamadougou, Issa bonsoir. Bonsoir Nous attendons des moments à l'autre Hassan Boukara Diaba de la radio alternative. Entre mercredi et jeudi, les programmes des radios et télévisions des groupes Ténéré, Bonferré et Canal 3, ont été suspendus pour le non-paiement des impôts. La semaine dernière, c'était le groupe Saraunia qui a subi le même sort. Garé Amadou du journal La Nation, dans cette opération, peut-on parler d'abus de pouvoir des agents du fisc ou bien c'est de la faute des patrons de presse qui n'ont pas payé leurs impôts vous savez, c'est une information qui nous a fait beaucoup, beaucoup de peine parce que euh, entendre que des organes de presse ont été fermés, vraiment, ça nous a, ça nous a beaucoup choqué. Il faut le dire. Hein. Euh, je profite de, ce plateau-là pour pour dire vraiment que je, vraiment, je me préoccupe de cette situation-là de fermeture de de ces radios-là. On peut pas dire que c'est de la faute des organes de presse, d'autant plus que nous savons très bien que les organes de presse nigériens privés vivre dans des situations difficiles. Et c'était tellement vrai, c'était tellement évident que l'État a décidé chaque année d'accorder un fondé de la presse. Et depuis trois ans, il n'y a même pas ce fondé de la presse-là. Ces organes essaient de vivre, ils ont créé beaucoup d'emplois, que ce soit au niveau de Bonferré, de Ténéré ou des autres télés ils ont créé beaucoup d'emplois qui aujourd'hui sont pratiquement. C'est avec peine que les directeurs arrivent à payer, bon à, payer les salaires, ce qui assure des conditions de vie aux journalistes. Donc, je pense que au lieu de fermer, il faut que, il fallait que l'État aussi s'acquitte de son devoir, parce qu'aujourd'hui le fondé de la presse, c'est un droit pour nous, organes de presse. C'est un droit, hein. puisque c'est, c'est, ça a été décidé depuis des années, c'est un droit pour nous, nous avons le droit de l'exiger. C'est-à-dire que si l'État avait mis à la disposition des organes de presse, ce fondés de la presse, on pouvait comprendre que l'État décide de, de, de, ceux qui ne paient pas les impôts. Mais déjà, ça fait trois ans qu'on ne reçoit pas le fondé de la presse. Et dans ces conditions-là, je pense qu'on aurait besoin de plus de compréhension de l'État à l'endroit de ces organes de presse-là pour se dire que, bon, l'État se dit que moi aussi je suis fautif parce que ce que je devais donner je ne le donne plus. Donc, et je devais être un peu plus clément quand même à l'égard de ces organes de presse-là. Vraiment, euh, créer les conditions pour que ces organes de presse-là. De plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'un organe de presse qui ferme, ce n'est jamais bon pour l'image d'un pays. C'est-à-dire qu'à l'étranger, on ne cherche pas à savoir si, oui, oui, c'était parce qu'ils ne payent pas des impôts. Non, non. Ce que pour la démocratie, les organes de presse euh, indépendants ou euh, privés, ça dénote un peu, un peu de, de, de, de la démocratie. Donc, vraiment, je pense qu'avant de fermer ces organes de presse, l'État devait s'acquitter de son devoir, à savoir payer le fonds d'aide à la presse. Ça fait déjà trois ans. C'est-à-dire que éponger les trois, parce que c'est des arriérés. Nous sommes en droit, en tant qu'organes de presse, de demander à ce que les arrêts soient épongés. Aujourd'hui, par exemple, si on dit à l'État, mais vous, vous, vous, fermez des organes de presse, alors que le fonds d'aide que vous devez payer pour appuyer justement ces organes de presse, parce que vous étiez conscient des difficultés qu'ont les organes de presse privés, ce fonds d'aide-là, vous ne payez plus depuis trois ans. Comment se fait-il que des organes qui essaient de vivre, malgré cela, malgré le fait que le fond d'aide n'existe plus, ces organes-là essaient de vivre, essaient de maintenir des emplois, comment se fait-il que vous venez, vous venez, vous les fermez encore Donc je pense que euh, de ce côté-là, l'État a failli. Je pense qu'il devait avoir un peu plus de clémence à l'endroit de ces organes-là. Issa Madougou, du groupe de presse radio et télévision Ténéré. Payer l'impôt est un devoir, mais comment expliquer l'arrêt du programme euh, qui sont d'utilité publique au, motif du non-paiement des impôts euh, Écoutez, mais c'est ce que Gary vient de dire. Cette situation est préoccupante du moment où euh, l'opinion internationale est en train de nous regarder. Quand on ferme un média, automatiquement, dans une démocratie, on voit un abus de pouvoir. C'est pour cela que la méthode n'était pas du tout bonne et appropriée pour cela. Loin de nous d'appeler à l'insuffisance fiscale, hein. mais il faut essayer de faire avec la réalité des choses, connaissant aujourd'hui le poids, les difficultés économiques de ces entreprises, parce que en réalité au Niger, nous avons toujours ce, ce problème. Il n'y a pas de véritable entreprise de presse. C'est une des entreprises de presse de papier, parce qu'ils sont dans une précarité aujourd'hui qui s'explique aujourd'hui dans le traitement salarial des employés. Et aussi, il faut comprendre qu'il y a des charges. Parce que tenir une entreprise au Niger, c'est très intenable. Parce que quand vous prenez seulement les frais d'électricité, c'est autre chose. Ça a doublé jusqu'à au-delà de 120% de nos jours avec la loi des finances. Donc, moi, j'aurais bien voulu que euh, l'État, de concert avec les autres, euh, avec les promoteurs, trouve le juste milieu. Garel l'a aussi bien noté, il y a trois ans de fonds de la presse qui, euh, qui à être payé. Donc c'est un droit. Vous n'avez pas mis ces gens dans les droits. Comment voulez-vous que ces gens puissent créer n'est pas du miracle. Quand il y a l'argent, ils vont évidemment payer parce que payer l'impôt c'est un devoir. Donc c'est parce qu'il y a la précarité qui est là. Loin de nous, moi je le répète, de, faire un appel à l'incivisme fiscal, mais quand même c'est la manière qu'il faudrait voir. Moi je pense que euh, euh, la maison de la presse... Payer, payer, payer son impôt c'est un devoir civique, euh, mais la méthode, vous déplorez les méthodes, les mécanismes par lesquels le fisc arrive à arrêter les programmes. prenons la réalité des médias, que ce soit presse audiovisuelle, presse écrite. on, commence, on commence par la presse écrite. Le journal, il produit. À peine qui et qui qui achète les journaux D'abord, c'est lié à la mévente. Les gens, c'est du sacrifice parce que c'est un devoir qu'ils se sont donnés pour informer, rendre ce service public. C'est pour cela qu'ils produisent. Mais vous pensez que, par exemple, la presse, ceux qui sont en train de sortir sont dans le ventre, nuit été les quelques publicités. Je vous assure que les gens, aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils gagnent des millions c'est juste un sacrifice. Venez dans le cadre des médias audiovisuels, c'est la même situation. Vous allez des factures impayées, des gens avec qui vous faites des couvertures qui refusent parfois de vous payer. Donc, voyez-vous un peu la précarité et les conditions financières très difficiles qui fait en sorte que l'imposition doit refléter aussi la réalité des médias parce que moi je ne peux pas comprendre qu'on me qu'un média par exemple un journal puisse payer 30 millions par exemple, gare, on, impose la nation 30 <laughs> millions. Mais, si la nation sort les numéros qui n'ont pas été vendus, <laughs> je vous assure, même euh, l'agent de fixer va être étonné pour dire mais écoutez, ça vraiment c'est incompréhensible. C'est pour cela que l'imposition doit refléter les réalités. On n'a pas dit aux gens de non, on ne voulait pas payer des impôts. Non, on doit les payer forcément on est obligé de payer. Mais quand les infos ne reflètent pas vos revenus, c'est ça qu'il y a un problème. Et quand on utilise des moyens aussi qui portent atteinte au-delà de l'entreprise, mais de l'image du Niger, parce que je vous assure que ça, a eu des échos qui ne sont pas en faveur de notre démocratie à l'étranger. Beaucoup de gens se sont dit, mais comment se fait-il qu'on met en arrêt les, programmes des télé Qu'est-ce qui explique cela ils n'ont pas vu, parce que c'est pour cela la méthode. sans, passer par le Conseil supérieur de la, communication, Effectivement. Ah, je rappelle à nos auditeurs que euh, notre troisième invité, Hassan Boukaradi Abba euh, de, de la radio alternative, vient de nous rejoindre euh, dans ce studio. Hassan Di Abba, entre mercredi et jeudi, les programmes des radios et télévisions des groupes Ténéré, Bonferré et Canal 3 ont été suspendus pour le non-paiement des impôts. La semaine dernière, c'était le groupe Saraunia qui a subi le même sort. Hein. Euh, que préconisez-vous avant, afin d'éviter un tel désagrément qui a un impact sur l'opinion publique nigérienne Merci beaucoup. D'abord, euh, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il faut mesurer la gravité de l'acte. Vous savez, un média n'est pas créé pour quelques bonhommes qui partent travailler comme journaliste, comme animateur, pour gagner un salaire. Donc, une radio, une télévision n'est pas simplement créée pour ça. Ce n'est pas créé pour euh, euh, créer de l'emploi à des gens qui peuvent travailler. La philosophie fondamentale qui préside à la création des médias, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on retrouve dans la plupart des constitutions au monde, qui est le droit du peuple à l'information. C'est parce que les législateurs ont reconnu le droit du peuple à l'information qu'on crée un corps de métier dont le rôle est de remplir ce droit à l'information. On ne le fait pas pour le beau jeu des journalistes on les fait pour une mission encore beaucoup plus grande qui est le droit du peuple à l'information. Et donc, lorsqu'on voit ce contexte, ça fait des médias des acteurs privilégiés. On est habitué à voir des boutiques, je ne les justifie pas, qui sont fermées pour non-paiement d'impôts. Lorsque vous arrivez pour prendre des mesures dont la conséquence est l'arrêt total des programmes de médias, c'est un acte extrêmement grave. Donc le jour où nos dirigeants comprendront que c'est un acte extrêmement grave, ils peuvent penser à d'autres types de sanctions s'ils considèrent qu'en tant que contribuables, les médias n'ont pas de faire ce, qu'ils doivent faire. Donc, à mon avis, euh, selon les informations que j'ai reçues, certains médias ont même tenté de négocier et trouver des échéanciers. Ça se fait partout au monde pour payer l'impôt. Parce que lorsque vous imposez une structure euh, économique, qui gagne de l'argent justement en tournant, lorsque vous faites l'arrêt, vous compromettez aussi la possibilité de payer. Et donc, à mon avis, la Direction générale des impôts a d'autres méthodes, beaucoup plus de méthodes, qui lui permettent euh, de recouvrer l'impôt sans euh, se mettre aussi à la place d'une autre institution. Selon la, loi, c'est le CSE qui a le droit d'arrêter le, programme, de, de suspendre, euh, d'arrêter jusqu'au retrait de, l'autorisation d'exercice des médias. Et donc, en le faisant, indirectement, ils, se sont aussi arrogés le pouvoir du CSE. Donc, à mon avis, le jour où les dirigeants comprendront que c'est un acte extrêmement grave d'arriver à la suspension, à l'arrêt des programmes de médias, en ce moment, ils trouveront les bonnes formules pour faire l'impôt. Les médias euh, euh, sont des contribuables. On ne dit pas qu'ils ne doivent pas payer l'impôt, mais on peut trouver des mécanismes qui soient beaucoup plus compréhensifs et plus acceptables. Euh, euh, rapidement, Gary, vous avez quelque chose à, que dire, que le rôle de la DGI, c'est de considérer que, c'est-à-dire considérer que les, les, les, les, télévisions sont des entreprises comme toutes les autres. Ce qui n'est pas le cas. Comme l'a rappelé Abba, elles ont une fonction tellement importante que l'État a décidé que chaque année, il fallait donner un fondé d'aide à la presse. Pour moi, et, si la DGI fait son travail, ce que c'est l'État qui devait dire au, niveau de la DGI, que, attention, au niveau des télévisions, euh, on ne fait pas comme on fait pour les boutiques. C'est-à-dire, on ne veut pas, on, on, plaque, on dit, on ferme. Non, non, non c'est tellement sensible que bon voilà pour les médias voilà ce qu'il faut faire voilà ça l'arrêt de programme, c'est inadmissible c'est incompréhensible il ne faut jamais arriver à cela donc je pense que la DGI a de quoi réfléchir quand même autre euh, sujet d'actualité, c'est le Sahel avec euh, les cinq pays qui composent euh, le G5 Sahel. Mardi, un sommet interparlementaire a regroupé en Niamey les députés du Niger, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Les cinq pays membres du G5 Sahel qui ont fait le pari à travers leurs forces conjointes de combattre le terrorisme au Sahel. L'objectif de cette rencontre des présidents des parlements des pays membres du G5 Sahel et de créer un organe de contrôle démocratique de la gouvernance du G5 Sahel. Antonio Tajani, président du Parlement européen, était aussi à ce rendez-vous, euh, tout comme le président Macron était avec les chefs d'État du G5 Sahel au dernier sommet de l'Union africaine en Nord-Choc cet objectif, euh, objectif euh, de créer un organe composé de députés pour le contrôle de la bonne gouvernance euh, du G5 Sahel. En quoi est-il utile Quel changement peut apporter cet organe de contrôle au Sahel Écoutez, moi je pense que l'initiative de mettre en place cette commission interparlementaire, c'est déjà c'est donné qu'il y a une décision qui va aller de la base au haut. Donc cette forme pyramidale, moi je pense que c'est bien parce que c'est les représentants du peuple, les députés qui vont de tous euh, des cinq pays qui vont être au parfum de cela et comme de, leur mission, ils vont essayer de, de, donner leur quitus en fonction des intérêts et des populations qui les représentent. Moi, je pense que l'idée, est, elle est géniale. Mais il faudrait encore mettre les bouchées d'eau. Parce que vous savez, le G5 Sahel, jusque-là, ça traîne c'est le financement. C'est pour cela la venue de, euh, <clears throat> de, Tajani au Niger. Moi, j'avais eu une autre lecture de sa venue, mais quand j'ai entendu son discours, mais quand même, moi, je ne vois même pas son intérêt. Il fallait laisser nos chefs de, euh, euh, des parlements s'en occuper et faire leur réunion et aboutir à leur conclusion. Il est venu même dans son discours nous parler d'immigration. Au moment où notre QG s'est fait attaquer par des terroristes. La, la migration, c'est, tout passe par la bonne gouvernance. C'est qu'il a, Effectivement, mais ce n'est pas l'ordre du jour. C'était la question sécuritaire d'abord. Parce que vous savez, le G5 Sahel, ce n'est pas seulement la guerre. Il y a les questions de développement. Il y a aussi la, question de la bonne gouvernance. Mais bien sûr, c'est pour cela que le fonds judiciaire a été créé du G5 Sahel. Vous savez, le G5 Sahel comporte des composantes très novateurs en matière de bonne gouvernance que d'autres institutions n'ont pas, qui existent depuis des années. C'est ce qui fait cette institution, si elle prend la forme je vous assure, ça va être un modèle de bonne gouvernance. Même l'Union européenne aura envie à venir prendre des règles de gouvernance euh, auprès de cette institution. Mais, c'est le financement. Non, nous sommes. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est le financement qui handicap aujourd'hui eh, la eh, personnalisation de toutes les initiatives que le G5 Sahel veut mettre en place en vue de la sécurisation et mettre en place des programmes de développement en faveur de communautés de cette région. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que la pauvreté est aussi un facteur d'insécurité. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'enrôlent dans le mouvement euh, terroriste, djihadiste, parce que effectivement, il y a quelque part, ce n'est pas forcément le sentiment euh, euh, euh, lié au culte qui les enrôle, qui les fait enrôler. Mais moi, je pense que l'idée, elle est géniale. On doit vraiment, et c'est ce que j'ai salué le les résultats euh, auxquels sont aboutis euh, les parlementaires. Moi, je pense que c'est un premier pas qu'il faut matérialiser. Samadougou, vous, vous êtes optimiste. Moi, je suis optimiste, mais seulement il faudrait qu'on mette les bouchées doubles pour que et la France essaye de ne pas jouer ce jeu qui fait en sorte. Parce que c'est aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qu'il faut indexer par rapport au, à la non-participation de la France des États-Unis du moins, dans le financement, dans le financement c'est la France. Parce qu'il faut que la France arrête de jouer son jeu qui n'est pas clair par rapport à ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas, les, dirigeants français ne peuvent pas. Mais, Macron, était au dernier sommet de l'Union africaine. Il n'y avait, rien, il n'y avait rien de bon qu'il avait dit. Nous, c'est n'est pas la France comme la France est en train de faire son lobbying pour faire participer, les États-Unis ont des, ont des critères. Ça ne passe pas mais que la France aujourd'hui fait en sorte de financer la première phase et c'est en ce temps-là que ça va inciter les autres à venir. Parce que tant que la France ne le fait pas, parce que aujourd'hui, vous savez, il faut être clair, il y a des choses que euh, euh, eux-mêmes les Français et les analystes français ne le disent pas. Vous savez, il y a un des points que les Américains ne sont pas d'accord sur ça. Euh, la, façon dont la France veut faire en sorte de cette force de G5 comme des tirailleurs dans les années antérieures, qu'ils soient au front pensant que les forces de Barkhane vont se replier et sans les donner les moyens, sans pour autant faire des actions de développement. Personne ne va aujourd'hui suivre. Et ça, c'est aux États membres du G5 Sahel euh, de, formuler euh, la demande. Euh, Garé, Amadou, la force conjointe a un coup et attend beaucoup de fonds avec l'Occident vient de le dire, c'est peut-être ce qui explique la présence du président du Parlement européen à cette rencontre. Pensez-vous que l'organe qui verra le jour aura à contrôler la gestion des fonds de la force conjointe ou c'est plutôt pour mettre un terme aux exactions constatées euh, contre des civils dans le cadre de la lutte contre le terrorisme Oui, il faut dire quand même que les, les, les, parlementaires sont les représentants du peuple. Et on a vu euh, dans cette euh, affaire du G5 Sahel, on a vu des chefs d'État s'impliquer, on a vu les ministres s'impliquer. Il était de bon ton. Et même les jeunes, les, oui, les jeunes, mais il était de bon ton que les parlementaires puissent s'impliquer et créer une structure autour de laquelle vont se retrouver les parlements des cinq pays et aussi euh, de l'Union européenne, parce que Antonio Tajani, c'est le président du Parlement de l'Union européenne, et l'Union européenne, vous savez, la contribution qu'il a amenée, déjà 50 millions d'euros que l'Union européenne a amené, et, c'est tout à fait normal qu'il soit présent, parce que euh, quand même, ils mettent de la main, la main à la poche pour permettre à ce que cette force-là puisse euh, vraiment avoir sa, vigueur sur le plan financier. Pour le moment, les chefs d'État sont encore restés sur leur fin parce que d'abord, ils ont demandé à ce que cette force du G5 Sahel soit mis sous chapitre 7. les États-Unis ont refusé. Les États-Unis, c'est vrai, ont mis la main dans la poche. Ils ont débloqué 60 millions de dollars. Ils ont dit que voilà leur contribution. Mais il n'est pas question que l'ONU puisse euh, s'impliquer parce que vous savez très bien que l'ONU... Il, y a plusieurs théâtres d'opérations sur lesquels... Et ils, n'envoient pas les résultats, en fait. Parce qu'on a vu l'ONU en Centrafrique. Les résultats ne sont pas arrivés. Au Congo, il n'y a pas de résultats. Les États-Unis sont bien fondés de dire que, bon, pour le moment, euh, ils sont un peu prudents à vouloir, en fait, puisque c'est eux qui, qui, qui, qui, mettent beaucoup d'argent au niveau de l'ONU, c'est le premier bailleur de fond de l'ONU, n'est-ce pas Mais euh, cette implication des parlementaires est d'autant plus importante que vous savez, au niveau du G5 Sahel, il y a deux composantes, la composante militaire et la composante de développement. Et la composante de développement est moins connue. En réalité, il s'agit de financer des projets de développement qui puissent permettre aux zones qui sont frappées par le terrorisme que ces zones-là puissent se développer, n'est-ce pas, créer des emplois pour que les jeunes ne soient plus soumis à l'emprise des forces terroristes. Et je pense que c'est extrêmement important le rôle que les parlementaires ils ont décidé de créer une structure, euh, euh, une sorte d'interparlementaire du G5 Sahel. Je pense qu'on va voir dans les prochains mois l'utilité de cette euh, structure-là. Hassan Boukar, euh, le président du Parlement européen, était à cette réunion des présidents des parlements des pays du G5 euh, Sahel. Et il y a trois semaines, le président Macron était avec euh, les chefs d'État du G5 Sahel à Nouakchott. Quel lien peut-il y avoir entre ces deux rencontres au niveau des chefs d'État de l'exécutif Sahel France, puis au niveau des patrons du pouvoir législatif Sahel Europe? Merci. Je pense que euh, les Européens ont aussi beaucoup d'intérêt dans cette zone sahélienne. C'est pourquoi ils ne veulent chômer aucune rencontre, c'est évident. Euh, c'est quand même une des zones du monde les plus riches en ressources euh, du sous-sol. Euh, on ne le dit pas souvent dans les rencontres. On parle beaucoup plus de terrorisme, de migration, etc. Mais il y a aussi les enjeux qui sont la réalité qui mobilise en fait euh, que ce soit la France, que ce soit le, Parlement européen. Euh, l'autre intérêt pour eux, ce sont les, migrations. je pense qu'Issam Adougou l'a bien relevé. oui, il y a le terrorisme. ça intéresse beaucoup les Européens parce que les forces engagées par les Européens sur le terrain, ça a quand même un coût même eux, ils veulent mutualiser les, les, les, efforts pour que ça ne pèse pas beaucoup plus lourd sur les dos dans seul pays. Ils auraient souhaité avoir une force africaine euh, qui prenne la relève et donc euh, ça allège un peu le coût, etc., etc. Et donc il y a beaucoup d'intérêts qui font que lorsqu'il y a ces rencontres là, euh, les Européens ne les ratent pas. D'ailleurs, ils ont annoncé une prochaine rencontre en, France, je crois, avant la fin de l'année. Donc ça montre quelque part euh, l'intérêt des, des, des, Européens. Mais je pense qu'au fond, la difficulté pour les Africains, c'est justement cette question du financement. Euh, théoriquement, on évalue à peu près 350 millions d'euros le fonctionnement de, euh, du G5 par an. C'est beaucoup d'argent. Euh, mais aussi longtemps que les pays africains n'auront pas la capacité eux-mêmes de mobiliser beaucoup de ressources, seront toujours dépendants beaucoup d'orientations viendront d'ailleurs, des injonctions peut-être, euh, ils seront guidés par ce que les Européens veulent, etc., etc. Mais euh, euh, on a connu quand même euh, une Afrique euh, qui avait quand même beaucoup d'initiatives. Hein. Je, je, pense par exemple à le Comog qu'on a vu, où une force africaine constituée de forces armées africaines avec essentiellement des moyens africains qui part essayer d'agir pour ramener la paix dans un pays en guerre. Euh, dans les années 90, rappelez-vous, on a connu ces périodes-là. Alors aujourd'hui, euh, on est comme presque à terre. Pas seulement... Donc, selon vous, c'est un recul euh, grave. Mais, Bien, sûr, bien sûr, c'est quand même comme ça qu'on justifie aussi, non, les, les, armées qui sont dans nos pays. 50 ans après les indépendances, bon, on dit, on ne fait même pas parfois confiance, j'ai l'impression, à nos forces armées. Si on fait confiance, on peut évaluer ce dont elles ont besoin. Mais à lieu place d'un accompagnement matériel ou d'entraînement, ce sont des armées entières d'autres pays qui viennent s'installer dans nos pays. Donc pour moi, c'est un vrai recul. Donc sur le G5, à mon avis, aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé cette question de, financement, ça va être extrêmement difficile parce que tout tourne autour de ça. Comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, euh, la dimension économique est presque inconnue de l'opinion. C'est vrai que la priorité aujourd'hui, c'est d'abord la sécurité. Euh, si vous prenez euh, la frontière entre le Niger et le Mali, la frontière avec le Burkina, aujourd'hui, l'insécurité est une réalité quotidienne des populations. Donc, ça fait que finalement, on parle beaucoup plus de cette dimension que de la dimension économique. Mais parfois, c'est bien de ne pas se tromper. Le devons ensemble. Euh, le fait qu'aujourd'hui, la pauvreté, le désespoir alimentent euh, l'insécurité, alimentent le terrorisme. Ce lien, euh, je pense, qu'il est fait par beaucoup d'experts sur la question. Et donc, peut-être que si on s'est dit, et essayons de régler la guerre avant d'arriver à l'autre, on peut se tromper. À mon avis, c'est bien de réfléchir comment est-ce qu'on peut couper parce que euh, agir sur la dimension économique, c'est couper ces, groupes terroristes de leur source d'alimentation en personne. Euh, ils ne peuvent plus euh, recruter facilement s'il y a déjà d'autres actions qui sont menées sur le terrain, euh, malgré le contexte difficile de conflit, parce que bon, la guerre ne vous laisse pas beaucoup de choix. Mais à mon avis, c'est bien de réfléchir à comment faire en sorte qu'on coupe ces groupes de leur base arrière, là où euh, ils partent recruter, en agissant déjà sur le plan économique au moment où on agit parallèlement sur les groupes terroristes où on fait la guerre. À mon avis, donc, il faut, il faut faire les deux. Autre sujet préoccupant, c'est le choléra dans le département de Madaroufa, région de Maradine la direction régionale de la santé publique a fait état de, euh, fait état de 106 cas, euh, dont 4 décès entre le 5 et le 16 juillet. Et à la date du 18 juillet, OCHA, une organisation des Nations Unies, parle de 148 cas enregistrés, euh, soit 32 nouveaux cas en plus. OCHA précise que le gouvernement nigérien a mis en place six sites de prise en charge et a renforcé le dispositif de surveillance épidémiologique. Gary Amadou, environ 150 cas enregistrés, dont des morts en 15 jours seulement. Pensez-vous qu'il y a lieu euh, de s'alarmer quand on sait que l'insuffisance des moyens est souvent soulevée dans tous les secteurs, particulièrement celui de la santé. Ah non, mais quand on parle déjà de cas de maladie, et même si c'est un cas, c'est déjà inquiétant parce que les gens se déplacent, les gens voyagent. Et le choléra, quand on sait que c'est une maladie qui est euh, fatale au bout de, de, 20 ans très court, vraiment, euh, les gens doivent s'inquiéter. Bon, des mesures ont été prises, je pense, pour mettre en quarantaine ceux qui sont déjà atteints et essayer de le traiter. Pour le moment, on n'est pas au niveau de la, de la catastrophe, mais quand même, le ministère de la Santé a lancé un appel à, aux populations pour des gestes d'hygiène qui puissent permettre d'éviter le choléra. Les gestes d'hygiène, c'est quoi Les ustensiles dans lesquels il y a des aliments, il faut les fermer parce que, ou des maisons qui sont infestées de cafards, il faut tout faire pour mettre, en tout cas, pour pouvoir les, les, les, les, détruire. Vraiment des gestes anodins, des gestes de propriété qui peuvent permettre à ceux que, même dans un environnement où il y a des cas de, de, de choléra, que ceux qui ne sont pas atteints puissent, en en tout cas se préserver. Je pense que c'est cet appel-là qu'il faut encore lancer euh, et, espérons quand même que cette épidémie-là va s'arrêter au niveau de Mandarofa et qu'il n'y aura pas encore des morts, puisqu'il y a pour le moment il y a un mort. Et il y a quatre morts. Il y a quatre morts déjà. Bon, voilà, vous voyez, donc ça, a déjà évolué parce qu'au début on parlait de un mort. Vraiment, j'espère, euh, je souhaite d'avoir au établissement aux malades et j'espère que les populations vont adopter le comportement qu'il faut pour éviter d'être contaminées. Hassan Boukar, après la poliomyélite, euh, la méningite, la rougeole, voici le choléra au Niger. Comment expliquer la récurrence de ces maladies en 2018 alors que certains sont éradiqués partout dans le monde J'ai l'impression que lorsqu'une épidémie arrive, on agit. Lorsque ça se calme, on attend la prochaine épidémie. C'est-à-dire que on joue beaucoup plus sur le curatif, alors que la santé, c'est la, prévention. et le, curatif. Et donc, euh, vous avez cité toutes ces, maladies qui reviennent de façon récurrente, euh, la méningite, on peut, on peut ajouter, qui reviennent de façon récurrente. À mon avis, dans des pays pauvres qui n'ont pas, y compris pour ceux qui ont les moyens, je pense que euh, c'est vraiment la prévention qu'il faut privilégier il faut éduquer les, citoyens sur ces choses. C'est malheureusement liés à notre environnement parfois. Il faut donc éduquer les citoyens. Une éducation euh, sur la prise en charge sanitaire, sur ce que les populations peuvent faire déjà en matière d'hygiène et autres pour éviter certaines maladies courantes. Je pense qu'on euh, peut accentuer la communication. Et comme je l'ai dit, après une épidémie, il ne faut pas attendre la prochaine. Non, euh, il y a un temps pendant lequel il faut communiquer. La communication, on gagne sur la durée. Hein. C'est pas euh, le message, ça passe euh, sur la durée. Il faut donc le rappeler les populations. Le rappeler, pas seulement le gouvernement, c'est aussi des ONG, et d'autres acteurs qui sont sur le terrain. À mon avis, il faut vraiment travailler à informer, à éduquer les citoyens sur ces maladies qui sont liées à notre environnement. Plus on les fait, euh, plus, même lorsque les épidémies arrivent, ça peut être beaucoup plus facile à gérer parce que les informations, euh, l'éducation auxquelles Gary faisait allusion, si les populations sont déjà informées sur comment éviter, comment éviter la propagation de la maladie, etc., et donc la prise en charge devient beaucoup plus facile. Euh, donc, à mon avis, certaines choses sont liées à l'environnement dans lequel nous sommes et ce qui fait qu'il y a souvent des épidémies qui arrivent et euh, la prévention, en particulier parce que lorsque les épidémies arrivent, on n'a pas toujours les moyens d'y faire face. À mon avis, il faut privilégier la prévention pour que euh, les populations soient elles-mêmes capables de se protéger, de se défendre face à ces situations qui arrivent de façon récurrente. Issa quand on sait que le choléra est dû à la saleté, à la viande avariée, euh, que peuvent faire les décideurs, les ONG ou les leaders d'opinion pour euh, booster, pour bouter le choléra hors de notre pays Merci Mokhtar, je crois bien que déjà ça a été la, la, stratégie a été effleurée par mes prédécesseurs, c'est l'éducation, l'information. Euh, c'est lié à l'hygiène. Donc il faut avoir vraiment des comportements qui prône l'hygiène au niveau des communautés quand on sait qu'aujourd'hui, dans la zone même, il y a une certaine proximité qui fait en sorte que cette maladie se propage. Donc, moi, je pense que déjà, il y a plusieurs <clears throat> stratégies qui sont déjà mises en place. Quand vous prenez par exemple la TPC, l'assainissement total piloté par la communauté, qui a été une réussite dans plusieurs communautés, la défécation à l'air libre qui a été bannie. Donc vous voyez tout ça, ça contribue quand on éduque c'est Abba ah vient de le dire, ça va un peu faciliter la prise en charge même des, euh, des cas de maladie. Et l'épidémie, on sait aujourd'hui comment la riposte, quand on l'organise avec des moyens, on est obligé parfois d'attendre parce que connaissant un peu les moyens aussi de nos États, ce n'est pas évident qu'il y a la ressource financière sur place pour pouvoir financer la riposte. Et cela, ça prend du temps parce que déjà... Ça demande aussi beaucoup de moyens. Effectivement, parce que vous savez, vous avez parlé de quatre mois, c'est déjà trop. Quatre personnes euh, qui sont décédées, c'est trop, hein parce que ça, inquiète. Donc il faudrait prendre les, dispositions pour pouvoir contrecarrer cela. Quand vous connaissez aussi la zone de Madarumfa, il y a de l'eau, il y a la mare, ce qui veut dire que est utilisé par une grande partie de la population. Donc, voyez-vous le risque que ça présente. Donc, essayez de vraiment d'éduquer, intensifier, mettre à contribution les radios rurales qui sont là, mettre à contribution les leaders religieux pour faciliter la sensibilisation à des pratiques d'hygiène. Il faut que les gens aujourd'hui, le, les simples gestes de lavage de mains au savon ou bien avec de, de, des Il y a des campagnes de ce genre qui ont Mais oui, c'est parce que c'est parce que il faut il faut intensifier, il faut que ça, ça continue. Vous savez, le problème au Niger, c'est que quand on fait les campagnes, surtout pour les ONG, on, se dit ok, on a un programme, on a une ligne de financement, on doit exécuter cela et fini. Non, ce n'est pas ça. C'est tout l'appui que Abba peut le dire. les appuis des banques mondiales et au consort ne peut pas nous développer ils le font parce que c'est nous que nous prenons l'acquis pour faire de ça une réalité. Tout ce qu'on nous donne là, c'est pas, pas ça qui va nous permettre de se relever. Le relèvement vient de nous, de nos propres initiatives. Donc, vous voyez, on devrait continuer de cela. Continuer à accentuer la à avoir des citoyens responsables de leur santé. Quand on va arriver à cela, nous voulons, les épidémies ne vont pas finir parce que nous sommes des humains, nous vivons dans notre dans un environnement et il y, a toujours des, des, cas. Euh, Abba, dit qu'il faut prévenir. Mais ben oui, c'est la prévention. Et pas, il ne faut pas seulement mettre l'accent sur l'aspect curatif. Non, non, non. Il faut prévenir. Par exemple, quand on sait, il y a des périodes, tout le monde sait qu'il y a des périodes qui sont propices à, la propagation de certaines épidémies. Donc, avant la période, voyez-vous, moi, je, viens de suivre un peu partout dans la zone Afrique de l'Ouest, euh, sur les chaînes de télévision euh, nationales, le lancement de, de la campagne chimiothérapie sur trois mois qui va concerner les enfants de 3 ans à 59 mois. Mais c'est une bonne chose, ça va prévenir, ça va avoir un impact aujourd'hui dans, dans, la prise en charge. Et c'est un moyen aussi de cette campagne de sensibiliser les gens pour dire que en cas de petits soucis de santé, il ne faut pas vous rester à la maison. aller au centre de santé le plus proche, vous faire consulter par un spécialiste qui va vous donner le traitement approprié. Voilà des, des, des, des sensibilisations, des messages qu'il faut véhiculer. Et il ne faut pas dire seulement les populations. Non, on vient, on les regroupe, on fait notre discours et puis partir. Non, il faut leur dire que aujourd'hui ils ont la responsabilité. C'est-à-dire, il faut utiliser les termes très clairs parce que nous aussi, au fil du temps, notre manière de communiquer, ça ne va pas, ça n'apporte pas un changement. Donc c'est pour cela la communication euh, pour le changement de comportement devrait avoir des mots-clés qui vont impacter, qui vont faire un déclic dans l'esprit de chacun, chaque citoyen, afin que celui-ci puisse comprendre l'enjeu de ce qu'on entend de, de l'enseigner, parce qu'il est l'ambassadeur de sa communauté. Il doit faire en sorte que d'amener sa contribution dans le bien-être de sa communauté. Passons à présent à la page sport du Forum de la presse. Le Sénégal, c'est un rappel, a remporté dimanche à Niamey la Coupe du tournoi de lutte africaine de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, euh, Tolak 2018. Les lutteurs sénégalais ont surclassé le Niger deuxième sur un total de 12 équipes, de 12 équipes euh, participantes de l'espace CDAO. Selon Maître Marie-Malam Daouda, fin observateur et même acteur de ces sports roi au Niger. Ces mauvais résultats des lutteurs nigériens est dû au manque d'entraînement des lutteurs nigériens. On l'écoute en train de progresser et nous, si on ne fait pas attention, nous allons régresser. Nous avons présenté cinq combattants pour défendre les couleurs nationales Autolac. Mais parmi les cinq combattants, il y a un classement qui a été mauvais sur un lutteur qui a fait perdre le Niger. Tous les autres classements sont bons parce qu'ils sont défendables. Si on doit promouvoir notre lutte, on n'a même pas besoin de l'aide du ministère. La lutte, quand elle est bien prise au Niger, peut s'autosuffire sans attendre l'aide de l'État. Et c'est l'aide de l'État qui a fait qu'aujourd'hui, l'aide de l'État n'étant pas venue, voilà pourquoi aujourd'hui nos lutteurs n'ont pas été mis au vert. Au lieu d'apprendre quelque chose dans l'entraînement de la pré-compétition, si les gens ont été entraînés, ça veut dire qu'on nous a amené des lutteurs fatigués. Issa Madougou, quelle réaction aux propos tenus par ces doyens du monde sportif nigérien Effectivement, quand on voit. Euh, la participation du Niger à ce tournoi, on se dit que qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'a pas pris le temps de préparer nos lutteurs pour prendre le sac Deuxième, deuxième, chaque fois face de euh, Sénégal, car les Sénégalais disent que ça fait depuis la, précédente édition, ils sont en train de préparer cette édition. Moi, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas le faire. Pourtant, le sport... Il y a, il y a certainement le moyen qui manque. Hein. On peut chercher du sponsoring. Moi, je pense que chaque fois pour le sport, il ne faut pas se dire que non, il n'y a pas une ligne budgétaire assez conséquente euh, pour financer le sport. On peut chercher. Vous savez, le Sénégal, comment ça se passe Il y a des compagnies qui financent le sport, même les centres de lutte, qui, sont, qui les sponsorisent. Moi, si j'ai bonne mémoire, je sais qu'il y a Tigo, si ça existe encore, une compagnie de téléphonie qui finance à coût de milliards un centre de formation. Donc, voyez-vous, il y, a, il y a les méthodes de financement, ça ne manque pas. On peut trouver le juste milieu. Mais quand on veut faire euh, des, merveilles, il faut se préparer. Parce que c'est incompréhensible, on dit chaque fois qu'il euh, n'y a pas de sérieux. On dit qu'un lutteur est asthmatique. Donc il n'y a pas d'examen médicaux qu'on impose au lutteur. Comment cela est arrivé ça sent bien que c'est le sport qui fournit, il faut fournir des efforts, c'est physique, donc la respiration va augmenter. Donc on prend tous ces risques pour mettre la personne en danger. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sérieux. Donc, évitez de, de, nous mettre dans des situations où les Nigériens se voient à chaque fois humiliés parce que ici, ce qui s'est passé, moi, je pense qu'on devrait prendre la première place. Mais malheureusement, on n'a pas été bien préparé. Les, jeux, les lutteurs n'ont pas été mis au vert à temps. Pour bien préparer, c'était à quelques jours seulement les regroupes, le regroupement. Moi, je pense qu'il faudrait revoir les choses pour qu'on puisse vraiment faire du sport encore ce sport roi. Parce que quand on regarde, c'est la même chose qui est en train de se passer. Avec le sabre national, les tournois au niveau régional, on est en train de régresser. Il faudrait vraiment maintenant qu'il est temps, si c'est possible, de faire les états généraux euh, euh, pour ce sport si c'est important de le faire et de redresser la barre, moi je pense qu'il faut le faire. Hassan Boukar, euh, qu'est-ce qui explique euh, la chute euh, du sport roi au Niger alors que le Niger était imbattable par le passé C'est un sport <clears throat> qui se joue face à d'autres pays. Les autres mettent du sérieux, ils se préparent. nous, on ne l'a pas suffisamment fait. Et donc on récolte le progrès aujourd'hui. Euh, vous savez, la lutte, on peut lire la, euh, la, la lutte traditionnelle euh, à l'image de ce qui se passe au football. On considère que dans un pays, si vous avez un bon championnat national, le plus souvent, vous avez la chance d'avoir une très bonne équipe nationale. Nous faisons, nous organisons une seule fois un championnat pendant les 12 mois de l'année, puis on attend l'année prochaine. Le Sénégal le fait de façon permanente. Les gens s'entraînent chaque fois et sont prises en charge. Il y a énormément de ressources qui sont mobilisées. Ça devient aussi un vrai business. Au-delà de l'État, vous avez des privés qui s'engagent là-dedans. Et donc, ça en fait un véritable business qui fait que ça peut mobiliser de l'argent beaucoup plus que ce qu'un État à lui seul aurait pu mobiliser. C'est ce que disait Maître Marie Malam Il disait que la, la, la euh, devait se prendre en charge. Voilà. Euh, la, la, fédération, mais je pense que euh, la fédération aussi, j'ai l'impression que l'une des rares sanctions qui est permanente dans notre pays, quand ça ne va pas, on dissout la fédération. Je pense que c'est une excuse quelquefois. C'est-à-dire que personne d'autre n'est responsable, il n'y a que la fédération. Oui, la fédération est responsable, mais à tous les niveaux, il y a un ministère qui s'occupe de ça. Euh, on peut dire qu'en dehors du football, le ministère du sport euh, ne, <laughs> s'occupe que de la lutte, parce que c'est vraiment le sport qui est véritablement national. Je pense qu'il n'y a pas de miracle où on tire les leçons de ça. Quand je vois un peu les, les, les, résultats, je vois des pays comme la Sierra Leone, euh, le, Ghana, qui, euh, il n'y a pas que le Sénégal, hein, les autres la Gambie, surtout la Gambie. La Gambie, les autres aussi sont en train de monter et donc, où nous tirons les leçons de ça pour dire, euh, écoutez, on a fait la lutte de la même façon depuis, depuis les années 70. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut moderniser Il n'y a pas que le règlement. On a beaucoup discuté sur le règlement parce qu'il y a souvent des conflits autour du règlement. À mon avis, il n'y a pas que le règlement. Dans la démarche aujourd'hui, il faut arriver à tirer les leçons, faire comme les autres, imiter les bonnes pratiques ailleurs, mais faisons en sorte qu'il n'y ait pas une fois, une seule fois, une semaine de lutte, puis on attend 12 mois. À mon avis, ça ne prépare pas une équipe. Gary Amadou euh, du journal La Nation. La France sacrée championne du monde du football en s'imposant face à la Croatie par quatre buts à deux dimanche, dimanche dernier à Moscou. Euh, comment avez-vous apprécié les performances des joueurs de l'équipe de France pendant ce mondial Oui, avant que je n'aborde... Euh, Rapidement, on n'a pas de temps. Oui, moi de dire. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui prennent la lutte au sérieux comme le Sénégal, qui où il y a des écuries et tout, tout n'est-ce pas Où on fait de la lutte pendant toute l'année. Et il y a des pays comme le Niger qui ne prennent pas la lutte au sérieux, où on ne respecte pas les Nigériens, parce que c'est un manque de respect. Vraiment, euh, après les gens, euh, de, quelques jours avant, euh, alors que les gens sont soit en aventure dans un pays de la sous-région, on dit oui, venez à hein, le, le, le Tolac, <laughs> il y a au sens d'aucune condition, c'est pas sérieux. Oh, et, on dit passons, au mondial maintenant. Et on dissout une fédération. <laughs> Ceux qui aussi. mais, parce que la, fédération C'est facile quoi, à mon avis, c'est facile quoi. on passe au mondial et on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Le, mondial, et, moi je suis content pour les Français. Il y a une polémique qui a éclaté. On dit, ah oui, oui, ce sont les Africains qui ont remporté la Coupe du Monde. Non, ce ne sont pas les Africains qui ont remporté. Les équipes africaines ont été éliminées. La France a eu la Coupe du Monde. Parce que les. Ouais, non, non, il faut le dire, hein non, mais ils ont dire qu'ils ont mis les gros moyens Non, euh, c'est pas l'Afrique qui a remporté la Coupe du Monde. Moi, je suis désolé. J'ai vu les gens dire oh l'Afrique n'a pas remporté. Les équipes africaines ont été éliminées. La France a remporté la Coupe du Monde parce que ceux qui ont remporté la Coupe du Monde, ceux qui ont joué au Nissan de Coupe de France, se revendiquent français. Donc ça, il n'y a pas, il a pas match. Chercher de, chercher à se faire une nouvelle ou à se faire plaisir en supposant que oui, oui, malgré tout. Non, non, non. Ce sont des Français. C'est la France qui a remporté la Coupe du Monde. L'Afrique a été éliminée dès le premier tour. Donc vraiment, euh, cherchons à organiser notre football au lieu de nous rabattre sur euh, la France qui prend au sérieux ce sport, euh, qui vraiment... Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui a dit que non, écoutez, l'Afrique, si on investit l'argent dans le football, où est-ce que ça va Nous, ici, on prend ça au sérieux et voilà le problème. Donc la France a remporté la Coupe du Monde. Les Français, les Noirs qui sont dans l'équipe de France sont des Français. Point très. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukara Diaba de la radio alternative, Garé Amadou du quotidien La Nation et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision en Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs euh, pour euh, leur fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma nous parlerons de la production du riz hors aménagement au Niger. Merci, au revoir.